Salut les amis de Baba Show et également des eSport TV. Merci encore gars de la confiance renouvelée. Merci Louis des likes. Merci Louis d'abonner. Merci également des bails des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois. d'y partager une information Inbox sénégalais. Fait pour les montagnes 14 régions du Sénégal. Rokhouroukha di Gorgora di ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital et ci du yi Il feebar. yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngi wér ak jàmm ñu nekk ci nga aussi erreur judiciaire génne de ñu deful moo leen fa yóbbu. Suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen ni njaboot ñi dara aduna suñu borom xale de àjjana fi daw si gaay te ñu. On avance ensemble dans la magie des et surtout le Baba Show l'actualité en contenu ga Nous ñu fas yéene histoire avec équipe nationale du Sénégal problème avec l'UCC Cissé Russie aussi la fin euh, du rock euh, du Baye de cette équipe nationale du Sénégal le yëpp Noko. fas l'histoire donc a été belle pour Kara Mbodj Kara Mbodj jambar de Sali bok ci première génération bu jàmbaar de Sali bi nga xam tay réussi réussir nañ ngeen xam ci yenn joueur ñom Salou Ciss ñom Pape Ndiaye Souare Ndeysaan ñoom Idrissa Gana entre autres ñom Pape Alioune Ndiaye génération bi le woon après Karamboj bok ci également génération bi nga xam 2012 ñom ñoo ñëw def le déclin de plutôt le déclin de l'équipe nationale du Sénégal ñom dañ ko ñëw dañoo ñëw fekk mu nekkoon déclin bi ñom ñu ñëw daal di ñëwaat fexe Sénégal jugee ci déclin boobu noonu ñëwaat ak génération bi nga xam ne Aliou Cissé ñoom la yóbbu en 2015 on se rappelle de ce match bi nga xam ne nag match Mbodj ca Maroc woon Sénégal Côte d'Ivoire Karabou qui a fait un match exceptionnel un hein, match boo xam ne gars yi nag foofu ñu bëri ci lañ commencé di xaamee Kara ak Jeux olympiques et tout Karabou qui est devenu un titulaire indiscutable de l'équipe de nationale d'Aliou Cissé bokk ci patron et nekk le capitaine de cette équipe nationale le rock le véritable rock de la défense de l'équipe nationale du Sénégal le Baye de l'équipe nationale du Sénégal muy Karabou avec ak génération ñoom Idrissa Gana Gueye ñoom Cheikhou Kouyaté ñoom Sadio Mané Skarabot aussi, 2015, il est parti à la Coupe d'Afrique. Il a fait une excellente Coupe d'Afrique avec également li nga donc équipe nationale du Sénégal 2017 également Kara Mbodj ci joueur public plébiscité ci 11 bi ndax lan li def bu du mi ñu au série de tiro bi a fait un match exceptionnel Nekon également coupe d'Afrique exceptionnel il a toujours marqué chaque fois bu Sénégal Nekon ci trop trop Kara était là pour marquer le but de la délivrance Kara qui continue avec l'équipe nationale du Sénégal en 2012 en 2015 avec Aliou 2017 également 2018 la coupe du monde mais avant la coupe du monde l'arrivée de ki Kalidou Rock Koulibaly mi le rock de la défense Mouniou, ñëw Kara dalal l'une des meilleures paires de la défense de l'équipe nationale du Sénégal équipe bu donne en encaissé moins de buts on se rappelle aussi de ce match mythique li nga ko coupe du monde avant la coupe du monde 2018 bi contre l'Afrique du Sud au Sénégal stade euh, Léopold Sédar Senghor le but de la victoire dans les arrêts de jeu pour permettre au Sénégal de se qualifier Mais il y ngeen événement boobu laataa ñu Ce qui demande à ses défenseurs de rester. On ne pas monter la tête. Oh là là Oh, le grand d'artifice et voilà gars après ça Kara donc il permet au Sénégal beaucoup na ci li du Sénégal qualifié coupe du monde bi match au noonu contre Afrique du Sud qui a été déterminant il y a eu la coupe du monde coupe du monde ça est parti avec une blessure au genou mais bon muy il était capable de jouer Aliou Cissé également ne y a beaucoup de coups blessés mais ñu bëri jàpp ne Aliou dafa a euh, féddali kóllëreem ak Kara Mbodj à mais Kara qui n'a joué aucun match lors de cette coupe du monde ba tax coow yu bëri ñeen j'ai été sacrifié pour l'intérêt d'autres personnes et tout mais bon, le niveau Karamboj avec l'équipe nationale du Sénégal. À un moment donné, avec la Coupe d'Afrique 2019, certains espéraient encore voir Karamboj dans Boming en direct de jouer. Également, je n'ai aucun problème avec Boming Bogona également rejoindre l'équipe nationale. Mais Alucisé n'a pas voulu le retenir. Depuis Bobo, Karamboj n'est plus venu en équipe nationale. Et pourtant, il y a eu cet appel. téléphone, situation et Donc, man, j'espère rejoindre le Sénégal avec la Coupe d'Afrique 2019. Je suis opérationnel Sénégal, et il a toujours mon montré Kara Mbodj nee naa leen bokk na ci joueurs yoo xam ne gars yi pour moi, dans l'histoire du football sénégalais pour moi on le meilleur défenseur Mon la koy fekkee ak une génération bien entendu Nien dañ wax ay Jemeni Roger et tout mais man Kara pour moi, mon dàq mon moo nekk gënoon a taxaw sax Kalidou Koulibaly parce que avec le Sénégal avait une défense hermétique bien sûr Koulibaly aussi est un excellent défenseur depuis lors on n'a pas voulu on n'a plus vu plutôt Kara avec l'équipe nationale du Sénégal finalement mu du côté du Qatar bokk na ci joueurs sénégalais yi nga xam ne njëkk du dem du Qatar jouer foofu no championnat mais aujourd'hui quand on regarde Kara certain Abdoulaye Seck la may jox su xolé Abdoulaye Seck rek ni mi waxé am rek ni mi ni mi footballé et tout ça me rappelle Mamadou Kara donc Kara malheureusement Sénégal bëggon nañ peut-être mu am fin bu gëna a rafet fin bu mom parce que il l'a mérité te wax naa ko nee bi Sénégal nek ci guuta nek ci problème mom ak génération ñom Gana Gueye ñom également Cheikhou Kouyaté Sadio Mané et tout ñom ñoo permettre Sénégal tay tey wat dem 2015 mosuñoo gëjoon nañu dem génn premier tour mu génn ñu premier tour ak génération 2010 2017 ñu dem également jouer bien entendu perte contre en mode au série tir au but après également on espérait 2018 mu dem gis ngeen ni mu fa point ay points la plutôt carton la ñuy éliminer mais Karamba depuis boobu kenn gisatu ko mais il continue à rester l'un des meilleurs joueurs sénégalais pour man de sa génération il continue à rester également ñi nga xam ne bu Sénégal tey eggee fii champion d'Afrique ñoom liggéey nañ si lu gars voici l'histoire triste